Outre ces questions, ils ont aussi demandé aux autorités administratives de revoir le statut des ulémas et imams du Pacao, car selon eux, les responsables de la dite structure ne jouent pas leur rôle convenablement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de dara moderne, il y a des problèmes d'éducation religieuse, il y, il y, a plusieurs problèmes qui sont là aujourd'hui qui ne trouvent pas de solution. Alors que si l'association là est dynamique, elle doit être le répondant de l'État par rapport aux questions religieuses qui se posent dans la Casamance de façon générale et dans la région de Séville. Malgré les doléances évoquées, les lettrés en langue arabe de la région de Sidiou ont formulé des prières et vœux pour que la paix et la concorde puissent cohabiter dans le cœur des Sénégalais. Sidiou, Walfadji Radio TV, Damine Bayo. Lamine Bayo Wali, Babakar, un foyer religieux oublié par les pouvoirs publics. Cette localité située dans la région de Tambacounda souffre d'un manque d'eau et d'électricité. Le calife a saisi l'occasion de la 26e édition de la Ziara annuelle la doléance tout en demandant aux autorités euh, de traiter euh, équitablement les différents foyers religieux au Sénégal. Les explications de Soli Bouramadabo. Wali Babakar a été le point de convergence des fidèles musulmans d'Ibundu à l'occasion de la 26e édition de la Ziara annuelle de Serim Babakar. Sur ordre du Khalif de Tijan de l'époque, Serim Babakar Si, Serim Babakar Diop s'était installé à Couleur avant de créer le village de Wali Babakar où il s'est implanté se consacrant exclusivement à l'enseignement du Coran et les principes de l'islam aux populations de cette contrée. À sa mort, ses enfants, sur l'égide du fils aîné, Seri Hassan Diop, perpétuent son œuvre avec les talibés de leur défunt père. Seulement à Wali Babakar, l'accès à l'eau et à l'électricité constitue une véritable difficulté pour laquelle le calife de la localité ne cesse d'interpeller les pouvoirs publics. Euh, on a des énormes difficultés au problème d'eau à euh, cet effet, nous euh, sollicitons euh, le gouvernement de venir en acte pour réaliser le forage de Wali Babacar. Donc nous sollicitons le gouvernement qu'il nous aide, qu'il nous en aide pour réaliser le forage de Wali Babacar. Aussi, comme nous avons des difficultés au courant, et ainsi que le, courant. Comme vous le savez, à chaque cérémonie, on mobilise de des groupes électrogènes pour autant, Wali Babacar ne demande ni plus ni moins que d'être traité au même titre que les autres cités religieuses du Sénégal. Nous réclamons, notre euh, nos, droits comme tous les cités religieuses qui sont ici au Sénégal. Car notre vénéré père, Seigneur Ababakar était un savant qui a, qui a beaucoup fait pour l'islam prières, récital du Saint-Coran et recueillement au mausolée de Serim Babakar Diop ont rythmé la 26e édition de la ziara annuelle de Wali Babakar. Ousmane Diallo à Tambacounda pour la radio-télévision Walfajari. Vous avez rectifié de vous-même, c'était plutôt Ousmane Diallo. Nous en arrivons maintenant à la correspondance de Soli Bouramadabou qui nous parle de la tariqa Tidjan de Kédougou qui a célébré l'anniversaire du rappel à Dieu du Khalifa Ababakar Si, disparu en 1957. Un anniversaire autour du thème Quelle idole pour un fervent musulman Le conférencier Oustaz Tafsir Abdurrahman Gay a demandé aux nombreux grévistes euh, de respecter les devoirs vis à -vis de la société et aux journalistes de tenir compte de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de leurs informations. Solibou Madabo. Ils étaient nombreux à participer à cette conférence marquant l'anniversaire du rappel à Dieu de Khalif Abubakar Sy, son fils de l'âge Si, disparu le 25 mars 1957 à Tiwawon. Cet homme de Dieu est le premier au Sénégal à porter le titre de calife général de Tiyan. Quelle idole pour un fervent musulman Tel est le thème de cette conférence annuelle, deuxième édition, animée au Oustaz Tafsir Abdurrahman Gaï pour mieux camper le sujet et définir les traits fondamentaux d'une figure emblématique à choisir pour un bon musulman, le conférencier a rappelé les fidèles au respect des devoirs vis-à-vis de la société. Faisant allusion aux multiples grèves et quotidiennes, Tafsir dira qu'il est bon de revendiquer ses droits, mais si ces droits peuvent être source de révolte sociale, mieux vaut d'arrêter et s'en remettre au Tout-Puissant toujours dans la recherche des traits caractéristiques de l'idole. On exhorte les professionnels de l'information et de la communication au respect de l'éthique et de la déontologie afin de rapprocher les communautés au lieu de les diviser. D'ailleurs, Tafsir d'ajouter que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. bari na ku di roy di ko toppandoo jël idole kenn di ko topp waaye du kooka ñu ni kan la ñu ni suñu borom subhanahu wa taala ne payu àllaaxira daal bëgg a dem aljana kenn laa la royloo moy Sayyidina Muhammad. Les idoles sont à être et même suivies, mais la vraie idole à suivre, dans l'espoir d'être récompensé dans l'au-delà, reste le prophète muhammad paix et salut sur lui. Et pour cela, il faut être reconnaissant envers les nécessiteux, savoir pardonner et dire la vérité. mooy kola la nga jokk ko kuy def ci yow lu ñaaw ngay def ci mom lu rafet. Va parer faire signaler que cette deuxième édition a battu le record de la mobilisation en politique avec l'Alliance des forces du progrès, qui garde toujours ses ambitions présidentielles, même si elle est membre de la coalition Beno Bokyakar. Des camarades de Moustapha Agnès l'ont réaffirmé lors d'une tournée dans le département de Thiès. À l'issue de cette tournée, ils ont d'ailleurs annoncé à qui veulent entendre qu'ils gagneront les localités lors des prochaines élections locales. Les explications de Ramatoulaye venir. Elle euh, devait nous parler de cette tournée euh, des membres euh, de l'AFP dans le département de Thiès. Ils soutiennent donc qu'ils gardent toujours leur ambition présidentielle, même s'ils sont bien sûr dans une coalition dénommée Benobok Yakar. À l'issue de cette tournée, donc, ils ont tout simplement affirmé avec certitude qu'ils vont d'ailleurs gagner les localités dans les prochaines locales. Ramatoulaye les départs enregistrés jusqu'ici dans les rangs de l'Alliance des forces n'encourage aucunement les filles responsables de cette formation politique. Bien au contraire, balayant d'un revers de main cette situation, Mbaye John, le président du conseil rural de Ngunjan et ses autres camarades en tournée dans le département soutiennent œuvrer pour massifier leur parti et conquérir le pouvoir. Nous voulons renforcer dans cette dynamique unitaire le poids de l'AFP. Parce que l'AFP est un projet de société. Il a été créé pour conquérir au suffrage. Notre ambition, c'est d'en faire une formation forte forte pour les intérêts des Sénégalais, forte pour massifier le parti, mais forte pour demain conquérir le pouvoir et bien entendu continuer l'œuvre de salubrité nationale que nous sommes en train de faire. Dans ce maillage du département de Thiès, ces responsables progressistes ont pour ambition de conquérir les collectivités locales. L'objectif, c'est d'être la première formation politique au niveau du département de Thiès et ça passe inéluctablement par des victoires écrasantes dans des collectivités locales. 10 départements de Thiès. Aujourd'hui, nous sommes à, à, nous serons dans le Toubatoul, à Kermoussa, et nous allons faire toutes ces communautés rurales qui ont la particularité, il y a quelques semaines, de voir leurs élus, leurs premiers magistrats migrer tous vers la PR. Ça nous désole. Ça va nous faciliter la tâche parce que ces gens-là ont été pour l'essentiel vomis par les populations. Ce qui reste constant pour ces responsables progressistes, c'est que leur parti, disent-ils, est aujourd'hui de loin plus fort que les autres formations politiques dans le département, une raison suffisante pour eux d'être optimistes pour les prochaines élections. Ramatoulaye Sarchez, Télévision Walfatri. Je vous l'annonçais en titre, en ces temps qui courent, la bouillie fait partie des plats préférés des Sénégalais, surtout le matin. Euh, au petit déjeuner. Effet de la conjoncture ou recherche euh, d'une consommation plus saine et moins coûteuse, les avis des consommateurs dans ce reportage de Fatou Dioufay. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais préfèrent prendre la bouillie fondée, l'art ou le petit déjeuner. C'est à la fois une promotion de la consommation locale et une source d'éléments nutritifs pour certains. Je préfère le lard que le pain, parce que vraiment ça, ça c'est mieux pour la santé. Et puis vraiment, hum, je dis à monsieur, le Président d'améliorer l'agriculture sénégalaise pour que les, jeunes puissent retourner au village, pour qu'on se nourrir, euh, comment on, dit, pour consommer local. Ça une euh, nous préférons prendre ces chaque petit déjeuner, car ça fait partie de nos traditions et c'est mieux pour l'organisme. cher soutient la moo gën a moins cher moo gën mburu mi bi moo gën mburu mi moo gën a yomb ndekk bi moo C'est moins cher, c'est mieux La vie est dure, mais avec ces plats, on peut s'en procurer, même pas avec 250 ou 300 francs, au lieu de dépenser plus de 500 francs. Selon cette dame, la vente de plats traditionnels marche à merveille. Je m'en sors bien, les clients viennent en masse pour acheter ces bouillies. C'est une activité rentable vraiment car les clients achètent tout avant même la fin de la journée. Les femmes, pour la plupart, ne savent pas préparer ces plats. Les hommes alors font le tour de la rue à la recherche du consommé local. Il n'y a que les pères de famille qui viennent acheter car les femmes ont la paresse ou même souvent elles ne savent pas les préparer. Le mil semble avoir pris le dessus aujourd'hui sur, sur plusieurs autres produits comme le pain et les autres pâtisseries naguère utilisées pour le petit déjeuner. Fatou Faye et le reportage de Amadou Limbaï qui semble confirmer cette euh, conjoncture. Euh, les gargotes euh, sont de plus en plus prises d'assaut donc par la plupart des populations. Les clients pensent que ces lieux sont beaucoup plus accessibles à leur bourse. Reportage. Les gargotes, des lieux très prisés par les Sénégalais.

Les affaires marchent très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les Médinois prennent leur déjeuner ici. Machallah. Alhamdulillah, aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé beaucoup de clients, mais d'habitude, les clients font la queue. Je rends grâce à Dieu parce que c'est avec ce commerce que j'entretiens ma famille. Les clients trouvés sur les lieux évoquent la vie chère. 300 je 100 francs euh, j'ai 300 francs avec moi et je mange très bien avec ça. Les gargotes sont partout, il y en a beaucoup, on mange bien, très bien. kon boo dem daal am na fa boo tourné koñ bi am na fa. loolu la ñàkkum xaalis bi dong la xam nga yow tey boo amee 200. Les temps sont durs et ici, avec 200 francs, tu parviens à avoir un déjeuner complet. Parfois avec 300 francs seulement je parviens à avoir mon petit déjeuner chez Marie avant je dépensais 500 francs ou 1000 francs rien que pour mon petit déjeuner mais maintenant ce n'est plus possible avec la conjoncture un petit déjeuner à 200 francs CFA l'offre des gargotes répond au pouvoir d'achat des Sénégalais Amadou Limbaye et nous en arrivons à la page internationale l'église catholique aura